Lorsqu'une nouvelle aventure débute, une nouvelle page s'ouvre, une nouvelle page pour signer des exploits et laisser des empreintes, une nouvelle page pour réécrire l'histoire. Et dans l'enseignement supérieur, vous le savez mieux que moi, les défis sont toujours et plus que jamais nombreux. Raison pour laquelle Saint Campus, l'émission éducative réservée exclusivement à l'enseignement supérieur, reprend de plus belle. Elle revient non seulement pour euh, vraiment relever ces défis, mais pour permettre également aux euh, autorités étatiques de pouvoir comprendre ces, défis et également euh, essayer un peu de les, de relever. Alors, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans Seine Campus. Seine Campus revient, comme je l'ai tantôt dit, de plus belle avec des innovations, des innovations de taille. Et vous le comprenez, nous sommes au niveau de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie. Donc une émission spéciale avec la faculté, par la faculté, pour la faculté. Donc euh, le département d'odontologie est représenté par M. Massamba Djouf. Il est professeur agrégé en santé publique également, membre de l'Assemblée de la faculté. Également, euh, M. Ibrahim Sek, président de la 46e promotion du département d'odontologie. Alors M. Sek, je démarre par vous. Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce Campus. Merci M. Sarr. Bonsoir à vous. Merci de nous accueillir dans votre émission C'est un homme, c'est un Campus. C'est un honneur et un grand plaisir pour nous de vous accueillir ici au sein de l'Institut d'odontologie de la Faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie de Dakar. Il est étudiant en Master 2 au niveau du département d'odontologie. Mais tantôt, je vous l'avais dit, je suis en compagnie de professeur Massamba Djouf. Il est professeur, euh, pour rappel, agrégé en santé publique, également parrain de la 46e promotion du département de l'ontologie. Monsieur Diouf. Bonjour, Monsieur Sarr. Euh, merci. Merci de nous avoir donné l'opportunité de nous exprimer à travers vos ondes et euh, à travers votre plateau, devrais-je dire. Mhm. Et aussi, euh, merci pour avoir accepté de faire le déplacement, de venir ici au, à l'Institut de stomatologie, pour ne pas dire le département, parce que depuis quand même un petit temps, l'Institut ou le département d'odontologie est devenu institut d'odontostomatologie. Et donc, euh, nous sommes très heureux de vous accueillir ici et euh, souhaitons que l'émission se déroule euh, dans les meilleures conditions. Prêt à parler des questions qui touchent, bon, bien sûr, la santé oui. <laughs> Alors, mesdames, messieurs, nous sommes également en compagnie de, des étudiants du département. Peut-être euh, d'ici la fin de l'émission, ils vont intervenir également sur ce que nous allons parler aujourd'hui. Alors, l'émission aujourd'hui en trois grands axes. D'abord, l'actualité de l'heure ici au niveau de l'université, puisque nous sommes à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et puis ensuite, en deuxième position, nous allons parler de la faculté de médecine du département de Donto et puis terminé par euh, la journée du 20 mars, journée euh, dédiée exclusivement à la santé bucco-dentaire. Alors mesdames, messieurs, rebonsoir et bienvenue dans Seine Campus. Après un audit, l'inspection générale de l'État révèle un scandale à la direction générale des bourses. L'IGE note un détournement de 10 milliards, un fait qui ne surprend pas certains étudiants. Je trouve que ce sera anormal parce que de toutes les façons, il y a un ministère des Finances qui gère l'argent des bourses, il y a même la direction des bourses. Alors si l'argent là n'est pas rentré là où l'argent là devait partir, je trouve que ce sera anormal. Parce que vous vous rendez compte que ici à l'université Chante Diop, il y a même des étudiants qui viennent en première année, ils n'ont pas de bourse, alors qu'ils avaient la possibilité d'avoir la bourse si la bourse était bien répartie. Ils allaient avoir la bourse, donc l'argent est détourné. Le nombre d'étudiants qui n'ont pas de bourse est très élevé. C'est pas seulement en première année, mais ceux qui sont en deuxième année, troisième, année, même en master, vous allez trouver des étudiants qui n'ont pas de bourse, alors que donc l'argent était là, ils pouvaient avoir la bourse. Donc moi, je trouve cela très anormal. Pour cet autre étudiant, l'État du Sénégal est l'unique responsable de cette situation. C'est, tout ça, c'est la gouvernance de Macky Sall. Ce n'est pas une question de critiquer euh, le président Macky Sall, mais bon, on sait nettement que depuis tous ces temps-ci, tous, ces temps ou bien depuis tout euh, son, mandat, on entend, des scandales euh, qui sont dits aux mauvaises, à, ou à la mauvaise gestion des derniers publics. Bon, ce n'est pas, ce pas une, surprise que le domaine ou bien que, le secteur universitaire soit, soit exclu. Quoi. Selon la direction des bourses, l'audit de l'IGE révèle un statut de 25 000 boursiers non reconnus, ce qui est estimé à une somme de 10 milliards. Ainsi, les étudiants réclament l'ouverture d'une enquête sérieuse et des sanctions sévères. Alors, vous venez de suivre cet élément audit des bourses par l'inspecteur, euh, l'inspection bien sûr générale d'État, on nous dit euh, qu'il relève 25 000 boursiers qui n'en avaient plus ou bien qui n'en avaient pas le statut. Alors, Monsieur euh, Djouf Massamba, votre appréciation par rapport à cet élément que nous venons de suivre ensemble euh, Merci, Monsieur Sarr. Je dois avouer que c'est vous qui m'apprenez cette information de taille et qui est assez crispante pour la communauté universitaire, il faut le dire. Euh, si de tels faits sont avérés, je pense que ce qui est utile de faire, c'est de situer les responsabilités et que l'autorité sévisse après avoir situé ces responsabilités-là. Alors, euh, un, montant détourné de 10 milliards de francs CFA, vous réclamez tout le temps, vous les étudiants. Donc, vos bourses, avez-vous pensé à porter ce combat pour tirer au clair ce problème euh, qui, perdure, c'est-à-dire le, retard noté au niveau des paiements du bourse Bon, M. Sarr, je dois avouer que euh, les 10 milliards de francs CFA qui ont été avouer, euh, avoués, qui ont été euh, dit dans les journaux ou mhm, mhm. dans l'actualité du campus. Tout à fait. Donc euh, c'est vous-même qui m'apprenez cette information-là. Tout à fait. Donc je dois avouer que les retards de bourse, donc, mhm. ça n'a rien à voir avec l'argent qui a été volé ou quelque chose comme ça. Effectivement. Donc les bourses doivent être payées pour les étudiants à la date prévue et normalement pour ne pas créer un climat de de, comment dirais-je encore, pour éviter les échauffourées qui sont vraiment collées euh, dans le dos des étudiants. Donc euh, ce qui est bon pour nous et pour l'État même, c'est de payer la bourse des étudiants autant euh, au temps voulu et au réel. Alors, on a vu également, M. Diouf, des entreprises publiques donc, qui traînent vraiment souvent avec des dettes fiscales. À votre avis, ces établissements, je ne sais pas, utilisent le, budget à bon, à bon escient euh, dire que ces entreprises utilisent le budget à bon escient et puis aussi constater en même temps qu'il y a des écarts dans la gestion euh, avec euh, ce qu'on pourrait appeler des détournements d'objectifs et de fonds en même temps pourrait peut-être relever un tout petit peu de euh, j'allais dire, euh, d'une appréciation active. Hein. Euh, étant entendu que nous ne sommes pas au cœur du dossier, nous ne nous ne maîtrisons pas exactement le contenu du dossier. le seul fait qui est là, c'est que la presse a fait état de détournement de d'objectifs et de fonds euh, pour ces entreprises-là qui sont dans l'espace universitaire. Mais toujours est-il que nous, à notre niveau, nous ne pouvons pas cautionner l'impunité. Euh, je le répète encore une fois, si de tels faits sont avérés, mhm. il faudrait que les autorités sévissent pour au moins permettre à la communauté universitaire de pouvoir respirer. Quand je dis permettre à la communauté de respirer, c'est de venir à bout de tous ces problèmes qui sont déclarés ça et là et que tout le monde voit hein, pour euh, au moins stabiliser l'espace universitaire. Parce qu'il ne se passe pas un seul mois sans qu'il y ait des perturbations, soit c'est en interne au campus, soit c'est à l'externe avec l'avenue Cheikh Antonio qui souvent qui fait l'objet de beaucoup de perturbations avec euh, euh, des grèves en ampli des jets de pierre et les policiers, entre les policiers et les étudiants. Je pense que de tels faits sont déplorables. Et pour pouvoir euh, venir à bout de tout cela, il faudrait que euh, tous ceux qui doivent prendre des décisions mhm. prennent ces décisions-là pour permettre à la communauté et à l'université d'être plus ou moins stable. C'est important. Alors, Monsieur le Président, euh, bon, vos voisins de l'ESP, bon, ces derniers temps rué dans les brancards pour dénoncer vraiment la manière dont se passent les codifications. Donc j'espère que vous avez eu l'information. Donc vous, vous n'avez pas ce problème, vous, les étudiants de la faculté de médecine, surtout le département de Tonto. Bon, pour les problèmes de codification, entre l'école euh, polytechnique qu'on nomme l'ESP mhm. et le CUT, bon, je pense qu'il y avait un problème de communication entre ces deux structures. Mhm. Donc on n'était pas au début euh, au sein de ce problème-là, donc on ne pourrait pas soutenir exactement la vérité. Il y avait un communiqué de presse qui a été sorti de venant du coup. Donc si vous lisez ce communiqué-là, vous allez dire exactement que le coup avait raison. Par contre, si tu, donnes un micro ou bien euh, si tu croises un étudiant de l'ESP et qu'il te dit une euh, un autre euh, il te parle du problème d'une autre manière. Tu diras aussi que la vérité émane de ces étudiants de l'ESP. Mais vous, en tant qu'étudiant de la faculté de médecine, vous n'avez pas de problème Bon, pas tellement. niveau Pas tellement de problème parce que vous savez, les problèmes de codification, c'est un problème de quota. Vous, comment ça se passe Quand les étudiants sont en première année, les étudiants qui viendront en première année, donc on aura à peu près un nombre de 500 ou 600 élèves donc on va choisir les meilleurs, ceux qui ont une moyenne ou bien un cumul supérieur par rapport aux autres. Donc le nombre de chambres qui est disponible ici à la fac seront distribués à ces étudiants qui sont à la tête de liste. Donc les autres, ils vont se débrouiller pour avoir ou, bien chercher quelque part où, se loger. Alors votre département, vous êtes au nombre de combien les étudiants Le département, bon, je ne saurais dire un nombre exact, mhm. mais à peu près, on, est, à peu près une 350 je, vous, dirais un nombre de 350. Et qu'en est-il des infrastructures Ici au niveau du département, bien sûr. Bon, pour les infrastructures, bon, on est là. Vous n'avez pas de euh, problème de laboratoire, amphithéâtre surchargé non, on ne dira pas qu'on a des problèmes de laboratoire. Les amphithéâtres ne sont pas surchargés. On n'est même pas dans des amphithéâtres. On est dans des classes euh, qui sont climatisés. Et bon, ah, donc vous êtes les nobles de, de Ça, c'est un langage, c'est un langage de la rue, comme que les gens disent comme ça. Mais nous, nous, en tant qu'étudiants de, la faculté de médecine, nous, on sait vraiment ce qu'on endure ici, au sein de la faculté. Alors, faculté de médecine, justement, M. Diouf, euh, quelle est l'offre de formation proposée ici euh, au niveau de la, de la faculté ou bien du département et quelle est la politique dans le choix des cursus de formation euh, merci, M. Sarr. Euh, l'offre de formation au sein de la faculté, quand même, elle est énorme, il faut le dire. Mais si on restreint un peu au département ou à l'Institut de stomatologie, mhm. au-delà de la formation initiale, il y a des formations spécialisantes qui sont instaurées depuis un certain temps. Euh, vous verrez certainement avec beaucoup de surprise qu'avec cette spécialité de chirurgie dentaire, vous avez beaucoup d'autres sous-spécialités qui sont là, à peu près une bonne dizaine, euh, pour lesquels les étudiants peuvent postuler et euh, euh, suivre tranquillement ce cursus-là pour devenir un spécialiste en la matière. Il y a des spécialités qu'on appelle chirurgie buccale, des spécialités de parodontologie, je vais détailler plus tard peut-être, chirurgie buccale et tout ce qui est en rapport avec la chirurgie. Vous voyez au-delà de ça, il y a la parodontologie qui s'occupe de la santé des gencives. Euh, les gencives ou le parodonte, c'est tous les tissus de soutien euh, de la dent. Il y a d'autres spécialités comme la santé publique, il y a d'autres spécialités comme l'odontologie conservatrice endodontie. Quand vous avez une dent trouée, hein, la spécialité qui vient traiter cette dent-là, on l'appelle communément dent carrier euh, dans le langage populaire, on dira trouée. Et pour cela, il faudrait que ce spécialiste-là vienne regarder consulter le patient, poser les actes nécessaires et refermer tranquillement le trou, si je peux m'exprimer ainsi. Et également d'autres disciplines telles que, telles que la prothèse, quand il y a des pertes de dents mhm. suite à des maladies ou à des traumatismes, cette discipline-là vient pour réhabiliter les personnes-là, pour leur permettre de retrouver ou de restaurer la fonction. Et, quelle, est, quelle est votre stratégie dans le, renforcement des liens avec le milieu sanitaire Parce que c'est important, bon, c'est-à-dire afin d'accompagner les formations ou bien les formations dispensées ici euh, Le lien entre l'Institut de l'Ontostomatologie et les structures de santé, si vous voulez dire, parce que nous sommes euh, l'école de formation c'est nous qui faisons en sorte que ces structures-là soient pourvues de personnel, en tout cas en ce qui concerne la santé bucco-dentaire. Nous formons des chirurgiens dentistes, nous formons des spécialistes dans la chirurgie dentaire euh, que nous donnons, que nous mettons à la disposition de ces structures-là, mais également il y a d'autres écoles avec qui nous tissons d'excellentes relations qui permettent de former le personnel paramédical. Voilà, ces écoles-là aussi participent au bon fonctionnement des structures de santé. Au-delà de ça aussi, il y a euh, l'institution suprême qui est le ministère de la Santé, ce ministère également a besoin de personnel formé ici pour pouvoir euh, faire marcher la politique de santé à l'échelle nationale. Il y a ici parmi nous des professeurs euh, oui, oui, il y a deux spécialistes de la chirurgie buccale, discipline dont j'ai parlé tout à l'heure, mhm. hein, et qui sont là pour venir appuyer. Euh, ah, peut-être ils pourront intervenir, je ne sais pas. Si... Oui, s'ils le désir, Hein, bon, ça, c'est vous qui, voyez. professeur Le professeur oui. Professeur Babacar Tamba. Merci, chers collègues, professeur mhm. Massamodouf, merci, chers dirigeants, merci, la DTV. Mhm. Donc, euh, moi, je suis spécialiste en chirurgie bicale, euh, je suis professeur Babacar Tamba. Donc, nous accompagnons les étudiants dans la formation théorique et la formation pratique. Donc, présentement, nous sommes en clinique de chirurgie bicale. Donc, les patients, les euh, étudiants de, 4, de 5e année amènent des patients donc nous les encadrons, donc ils font des, anesthésies, des extractions dentaires, des extractions chirurgicales, donc, euh, etc. entre autres. Euh, euh, donc c'est ça notre rôle de, formation et de recherche. Nous les accueillons aussi à l'hôpital mhm. pour les stages hein, de troisième année et de sixième année aussi. Donc globalement, c'est ce que nous, faisons. Très bien. Il y a, également un professeur, docteur Diata. Oh, c'est bon, hein, ah, <laughs> ah, hein. Alors, M. Diouf, peut-être vous avez entendu un peu la, question. Donc, la place de la faculté de médecine ou bien du département le euh, d'odontologie aux partenaires internationaux, donc dans le développement de la recherche scientifique. Euh, merci. Euh, là aussi, il faut dire que nous avons un partenariat hein, mhm. et cela est attesté par le fait que certains enseignants, mhm. euh, durant leur cursus, sont appelés à quitter le pays pour aller euh, chercher de la connaissance ailleurs. Et en général, c'est des institutions, des instituts de recherche ou encore des facultés qui les accueillent mhm. pour leur permettre euh, d'être dans les conditions qu'il faut pour préparer des diplômes de spécialité ou encore préparer leur doctorat. Moi qui vous parle, j'ai préparé mon PhD à Marseille ah et c'est une convention que j'ai trouvée ici qui existait entre euh, le département ou l'Institut de stomatologie et la faculté euh, dentaire euh, de Marseille, de l'Université de Marseille. Voilà, c'est pour dire que aussi bien pour l'Université de Marseille, pour certaines universités de Paris et pour d'autres universités à l'échelle internationale, nous, des relations de partenariat qui sont très fécondes et qui permettent euh, aux deux structures ou bien aux structures en général de pouvoir euh, trouver leur compte là-dedans. Donc c'est souvent un partenariat gagnant-gagnant qui existe entre euh, l'Institut de stomatologie et les autres structures internationales. Alors, monsieur, je sais qu'on a vu également parmi nous des, je ne sais pas, béninois ah, ou bien d'autres nationalités. Bon, comment se portent les, liens entre vous, peut-être vous, Sénégalais, et les béninois, je ne sais pas, ou bien les autres nationalités Bon, comme vous le savez, le Sénégal, c'est un pays de la Telanga, mhm. déjà. Donc, si nous recevons des étudiants du Bénin, qui sont vraiment du, continent africain, donc euh, ça ne peut être que climat favorable. Donc entre les étudiants du Sénégal et ceux du Bénin. Donc même il n'y a même pas que des Béninois, dans, le public ici. Mhm. Il y a des Marocains, il y a des Tunisiens, il y a des Mauritaniens, il y a des Maliens, il y a une diversité de, nationalités au sein de l'Institut. Ah. Mais la relation entre ces étudiants-là, c'est comme une famille. quoi. Donc même ici, au sein de l'Institut, on a tendance à nous dire que vous, c'est nous en dentaire. quoi. Donc ici, c'est vraiment une famille, en esprit. Hmm, peut-être pour appuyer vos propos, vous pouvez donner la parole à quelqu'un, peut-être pour représenter un peu. Bien sûr. Bon, oui. Bien sûr, je peux donner la parole à Justine, qui est la présidente euh, de, des, des bénévoles, en quelque sorte. Elle est là derrière moi. Ah. Vous allez bien, madame Oui, je vais très bien, monsieur. Ah. Bonsoir à l'Assemblée. Bonsoir. Euh, moi, c'est Justine Darwana. Je suis la présidente, la représentante des étudiants en odontostomatologie du Bénin, à Dakar. Donc. Alors, euh, peut-être pour vous poser la même question, comment se portent les liens entre vous, peut-être bon, euh, issus de, euh, ouais, du Bana et, les Sénégalais depuis, que nous sommes là, mhm. on suit les coups normalement, il n'y a pas de différence. L'Afrique, c'est comme si on était au Bénin, tout se passe normalement. Pourquoi le choix du, Sénégal euh, oh, bon, par rapport à nous, notre situation est un peu particulière parce que c'est une situation particulière. Mhm. Euh, c'est tout le département d'odontologie du Bénin qui a été délocalisé en fait parce que mm. euh, là il se, posait un problème de, au niveau de l'institution il y avait un problème donc il, devait y avoir la fermeture pour pouvoir mieux rétablir les choses donc c'était une décision gouvernementale qui nous a amenés ici à Dakar. Très bien, merci. Merci à vous. <laughs> Alors, Monsieur le Président, peut-être compléter ses propos Oui, bon, juste à euh, compléter que les Sénégalais, ou bien mes camarades de promotion, bon, ont été vraiment coopérants et réceptifs vis-à-vis de l'arrivée des étudiants béninois. Mhm. Donc on les a accueillis. Il y a une association ici. J'en profite pour parler de leur président qui s'appelle Tcherno Momuru Djuldesou. Donc cette association regroupe tous les étudiants chirurgiens dentistes du Sénégal. On l'appelle ACDS comme sigle. Mhm. Donc cette association a été chargée de l'accueil de ces étudiants béninois, euh, les mettre dans de bonnes conditions ici au Sénégal et faciliter leur intégration au, sein de la communauté sénégalaise. Euh, Monsieur Diouf, Massamba, bon, euh, comment dirais-je, euh, en matière d'enseignement supérieur, comment se portent les études en médecine au Sénégal euh, je vous remercie, M. Sarr. Euh, d'abord, avant de répondre à votre question, je vais peut-être euh, compléter ce qu'a dit M. Sec hein, sur les les, différentes nationalités qui mhm. sont actuellement accueillies au département de d'odontologie. Nous en dénombrons à peu près 17 nationalités. Hein parce que nous avons fait euh, une étude euh, là-dessus et on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de nationalités qui existent actuellement au, à l'Institut de l'Ontostomatologie. Très bien. Euh, il a parlé de Marocains, il a parlé de Béninois. Béninois, c'est tout à fait récent, je crois. sinon, dans les années précédentes, on en avait. Euh, cette fois-ci, c'est une situation toute particulière qui a fait que des Béninois nous ont rejoints pour euh, parachever leur formation ici euh, à l'Institut de d'odontostomatologie. mais à côté, il y a des Marocains, il y a des Guinéens, il y a des Mauritaniens. Bref, on peut parler réellement d'une intégration africaine, compte tenu de ce qu'il y a. mais également par rapport à l'échelle africaine, mais aussi à l'échelle euh, internationale, si on peut le, on peut le dire ainsi. Euh, les études euh, qui sont faites à Dakar, quand même, sont très respectables quand un étudiant termine sa formation ici au Sénégal et se retrouve entre les mains d'un autre enseignant dans une autre université, autre qu'africaine, on voit nettement qu'il y a une certaine différence. Si aujourd'hui des enseignants du Sénégal partent dans les différents forats internationaux et rencontrent d'autres collègues, là aussi, la différence est nette. Et l'indicateur que j'aime rappeler et donner euh, aux journalistes, c'est le concours d'agrégation. Le concours d'agrégation est un concours qui permet de juger du niveau d'excellence des enseignants par rapport à leurs autres pairs. Alors là, à chaque fois que ce concours est organisé, euh, Dakar revient avec, euh, disons, beaucoup d'enseignants qui réussissent. Euh, la dernière en date, c'était en 2018. Le professeur Babacar Tamba, euh, ici, présent, fait partie de ceux qui ont réussi durant ce concours-là. Nous, nous l'avons été il y, a, il y a 4 ans maintenant, parce que c'est depuis 2016, euh, bientôt 4 ans. Hein. Et donc, c'est pour dire qu'à chaque fois qu'on y va, ça nous permet justement de juger de la valeur des études de Dakar, de l'école de Dakar, comparé aux autres écoles qui existent dans la sous-région et euh, à l'échelle internationale. au niveau du classement, bon, euh, des, universités, des meilleures universités, l'université Anta Diop de Dakar tarde à se positionner parmi les meilleures. Euh, par rapport au classement, vous le savez peut-être euh, mieux que moi, il a pas y a plusieurs critères qui sont, qui sont euh, considérés. Et ces critères-là, si on les liste un à un, on peut s'apercevoir, on peut s'apercevoir que quelque part, il peut y avoir, disons, un petit retard, un gap à combler, mhm. et qui peut aller dans le sens de rabaisser un peu le rang de l'université Cheikh Anta Mais si on prend la valeur intrinsèque des enseignants et des étudiants que nous formons, euh, forcément, on voit une certaine différence, je le répète encore une fois. Cela va sans dire qu'il faut continuer à faire des efforts sur le plan des infrastructures, sur le plan de l'équipement, etc. Tout cela, si on regarde, les ratios Mais quand vous ne doutez pas de, la fiabilité de ces, de ces chiffres Non, nous ne doutons pas du tout. Encore que mais quand euh, même, vous reconnaissez que l'université bon, traverse des moments difficiles. Absolument, ça je le reconnais. Et c'est pour ça que je vous dis, il y a beaucoup de critères qui sont euh, pris en, compte. Et ces critères-là, déjà le ratio en fait partie. Mais en dépit de ces ratios qui sont faibles, par exemple, si on considère toute l'université de Dakar, il n'y a pas que la faculté de médecine. Si on prend le cas de la faculté de lettres ou la faculté de droit, on voit nettement que le ratio étudiant-enseignant est tellement faible au point que la qualité peut ne pas y être. Et malheureusement, si on fait ce classement-là, on ne tient pas compte seulement le rang de la faculté de médecine, mais c'est toute l'université avec toutes les facultés et, qui sont prises en compte. vous voyez un peu malgré les efforts de la faculté, <laughs> euh, forcément le classement qui arrive avec l'effet des autres facultés, il peut y avoir dilution des efforts qui sont qui sont consentis par la fac de Vous m'avez donné la transition, donc vous avez parlé d'enseignants, concours d'agrégation, je ne sais pas. Donc cela va me permettre de vous poser cette question. Bon, euh, les départs à la retraite des professeurs de rang magistrats surtout. Alors quelle est votre opinion par rapport à ça euh, ça, c'est un fait qui est là. Euh, depuis un certain temps, nous assistons à un départ massif ce départ-là va augmenter davantage les années à venir. Je sais qu'il y a une centaine de professeurs de rang magistral qui euh, partiront à la retraite sous peu de temps ça parce que j'ai aussi une casquette euh, syndicaliste. Je gère les affaires sociales du syndicat de l'enseignement supérieur, le SAS. et donc euh, je suis un peu imprégné de ce qui se passe au niveau du management même de l'université. Et sous peu de temps, nous aurons ces difficultés-là. Mais ces difficultés sont à anticiper. Je pense que les autorités actuelles sont en train de faire des efforts mhm. pour euh, essayer d'anticiper un tout petit peu les éventuels problèmes qui se poseront avec le départ massif à la retraite. Départ massif à la retraite et ouverture d'autres universités. Paradoxe euh, On ne peut pas exactement considérer que c'est un paradoxe étant entendu que même ceux qui vont à la retraite peuvent être recyclés dans les autres universités. Et d'ailleurs, c'est un peu la tendance. Pour faire bénéficier eh, leur expérience aux nouveaux qui viennent d'être recrutés, on leur demande, euh, sous forme de contrat, de venir monnaie encore, continuer à monnaie leur talent euh, au niveau de ces nouvelles universités. voilà. Alors, M. Diouf, euh, il est aujourd'hui l'invité de l'émission Saint Campus, accompagné de M. Sek Ibrahim, le président de la 46e promotion du département euh, d'odontologie. Nous sommes présentement au niveau de la faculté de médecine de pharmacie d'odontologie, plus précisément au niveau du département. Alors, euh, mesdames, messieurs, nous, allons, nous en arrivons à la seconde partie de cette émission. Aujourd'hui, émission réservée peut-être au département d'odonto et, comme vous le savez, nous vous l'avons promis et nous allons le faire, Inch'Allah. Bon, chaque fin du mois, nous, allons, nous irons à la découverte d'un département ou bien d'une faculté ici au niveau de euh, de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ou bien partir au niveau des autres universités, que ce soit Thiès, Bambay, bon, Saint-Louis et euh, également Giguinchor. Euh, Mesdames, madame, pour euh, passer à la journée mondiale de la santé bicodentaire célébrée ce 20 mars, nous allons marquer une petite pause, histoire de suivre également avec les étudiants du département d'odontologie, monsieur Diouf et monsieur Sec, bon, cet élément. Et puis, on revient pour continuer le débat. Spécialiste des maladies dentaires, le chirurgien dentiste est pratique et attentif dans sa profession. Selon ses docteurs, l'examen clinique est primordial pour traiter un malade. Les étapes diffèrent selon les pathologies. Hein. Euh, par exemple, une carie superficielle qui, qui n'est pas profonde, comme on le dit, c'est peut-être deux étapes. L'examen clinique consiste à faire l'état général, regarder d'abord les antécédents familiaux euh, et les antécédents personnels du patient. On passe à l'examen clinique proprement dit, c'est-à-dire dans la bouche. La carie dentaire est la base des problèmes de beaucoup de patients, confie ces professionnels. La carie dentaire, c'est quoi C'est une affection hein, infectieuse souvent qui se trouve au niveau de l'odonte, c'est-à-dire de la dent elle-même. C'est-à-dire, euh, en parlant terre à terre, c'est ce trou qui est au niveau de la dent. Donc c'est ce qu'on appelle la carie dentaire. Maintenant, cette carie, il y a plusieurs sortes de, caries en fonction de l'étape de l'évolution de la carie. Une fois maintenant que ça dépasse les mailles, si le patient ne consulte pas, ça arrive, ça arrive maintenant au niveau de la pulpe. Là, c'est ce qu'on donne les rages dedans. Un travail très sensible pour le dentiste, car ils sont souvent exposés à des maladies contagieuses avoir ces facteurs pour tout de suite après avoir fait l'intervention avant de faire l'intervention, prendre ces précautions pour éviter que ces patients meurent d'hémorragie après avoir perdu autant de sang. Mm-hmm. Donc vous voyez comment l'examen clinique est important dans notre jargon être contaminé. Et c'est pour cela que on porte des gants, on porte des masques pour ne pas être contaminé par les malades que nous traitons. Euh, parce que euh, il y a beaucoup de maladies qui ont une manifestation buccale. Même s'ils occupent un cabinet, ces professionnels soutiennent que le métier n'est pas aussi bien payé dans ce pays comparé à l'Occident. Les dentistes, les médecins, les pharmaciens, au départ, contactent ce, métier-là par sacerdoce. Là, vous êtes tombé rapporter beaucoup. Euh, c'est relatif, euh, c'est relatif, c'est relatif, mais quand même, euh, nous remercions Dieu. D'ailleurs, il exhorte les jeunes étudiants dentistes d'avoir d'abord l'amour du métier avant tout. Avoir le, désir de vous, pouvoir servir la société. Mhm. C'est pas un métier qu'on apprend comme ça, on se lève tout de suite comme on apprenait le menuisier, comme on apprenait le boulanger, tout, et tout. Là, il y a des conditions. cest une déontologie qu'il faut vraiment respecter pour être. Parce qu'il y a le code de déontologie, il y a l'ordre des chirurgiens dentistes. Comme je vous ai dit, c'est pas un métier où on peut se lever tout de suite, on se lance. Non, on doit apprendre. Bonjour, va Carré dentaire, traumatisme dentaire, anomalie de l'émail, parodontopathie et autres sont les différentes maladies qui attaquent les dents. Ainsi, plusieurs dentistes prennent le temps de se spécialiser pour traiter ces maladies dentaires. Toutefois, pour éradiquer certaines d'entre elles, les professionnels précisent qu'une consultation par an est importante pour prendre soin de ces dents. Alors, mesdames et messieurs, de retour sur ce plateau, accompagné des étudiants de la euh, faculté de médecine de pharmacie et d'odontologie, M. Massamba Diouf, parrain de la promotion 46e euh, du département d'odonto, et M. Ibrahim Sek, le président de la dite promotion. Alors, mesdames et messieurs, comme vous le savez, nous sommes euh, nombreux à négliger vraiment la consultation de de nos dents mais L'acte paraît banal, mais ô combien important. Alors nous sommes en compagnie des, spécialistes en la matière. Euh, donc je démarre par euh, Monsieur le Président. Président, bon, je l'ai tantôt dit, nous sommes nombreux à négliger la consultation de nos dents. Bon, merci Monsieur Sarr. Euh, je serais vraiment ravi de parler de, de, ma spécialité qui est la dentisterie. Donc votre question, pour répondre à votre question, L'acte paraît banal, comme vous l'avez dit tantôt, euh, mais la, le, comment encore, euh, le fait de prendre soin de sa bouche est vraiment une chose importante pour, la santé corporelle, mhm. la santé de l'état général de, la personne. Donc il y a vraiment une parfaite euh, une relation étroite entre la cavité buccale et la, santé générale. Si ta bouche est vraiment saine, c'est la reflet en ce sens pour vraiment sensibiliser les populations. C'est en ce sens même qu'on a organisé la journée, on a, on, a, décidé de célébrer la journée mondiale de la santé bucco-dentaire parce que c'est une occasion pour nous de s'adresser à la population qui, qui est à un niveau instructif très bas par rapport à la santé bucco-dentaire. Donc par rapport à cette situation-là, euh, en tant que personnel de santé bucco on est obligé de faire notre, de jouer notre part euh, du jeu, c'est-à-dire de descendre sur le terrain et d'essayer de, sensibiliser les gens à prendre soin de leur bouche, de leur cavité buccale, euh, Est-ce que vous l'avez démarré ici au niveau de l'université Oui, c'est la troisième édition concernant les activités du 20 mars, c'est-à-dire la journée de sensibilisation, euh, d'actes de consultation gratuite. Mhm. Donc euh, c'est à la fin de notre cursus qu'on a, qu'on a comment dirais-je encore, qu'on a l'opportunité d'organiser ce genre de journée. Donc c'est la première fois pour nous, mais nos aînés l'ont fait derrière nous, donc on est en train de perpétuer ou bien même de suivre leur pas. Donc cette question, ce serait vraiment... L'information manque. Impossible, non, impossible de répondre. sensibilisation également. Non, je dirais pas que la sensibilisation manque, même si ça manque aussi. Bon, on peut, on peut informer que les, gens, que les, gens, qui sont vraiment dans, notre sphère, quoi, dans notre sphère de d'essayer de, comment dirais-je de je sais que prendre votre euh, je sais pas la <laughs> défense de, la promotion puisqu'il est le parrain. Le euh, mais Monsieur Diouf, La promotion, c'est vrai, mais... La sensibilisation. Au-delà au -delà de la promotion, il y a également d'autres organisations qui s'agitent, qui s'activent euh, pour sensibiliser davantage les populations. Euh, j'en veux pour preuve l'Association nationale des chirurgiens dentistes du Sénégal, qui même organise souvent des tournées nationales pour sensibiliser les populations sénégalaises. Je ne parle même pas de l'université, parce que quand même, eux, à leur niveau, ils réussissent quand même à, sensibiliser les étudiants qui sont là. Euh, il y a deux ans, l'année dernière aussi, j'ai vu des promotions sortantes organiser des séances de consultation ici tous les étudiants qui passent par là pour aller en fac de sciences ou en fac de droit ou quelquefois avant même euh, que FASEC ne soit. je vous pas. La carie dentaire est une maladie. Euh, est-elle une maladie qui peut, qui peut attaquer le reste de la, de la bouche euh, et même d'autres organes du corps Bon, comme vous le savez, vous n'avez jamais vu un gars qui vous dit que j'ai la carie du pied ou bien la carie au niveau de la tête. Donc, on sait tous que la carie dentaire, c'est une maladie spécifique à la dent. Et a-t-on, une estimation de l'ampleur des caries au Sénégal euh, Oui, oui. La dernière enquête euh, STEP euh, qui a été faite par le ministère de la Santé et qui concernait la tranche d'âge 15-65 ans faisait état d'une proportion, d'une prévalence de plus de 40% de caries dentaires. Donc c'est une proportion qui, c'est vrai, l'étude euh, est axée sur euh, une cible, mais lorsque la cible s'agrandit, certainement la proportion peut davantage être plus élevée. Eh, eh, mais M. Diouf, euh, comment dirais-je, les soins dentaires coûtent très cher au Sénégal, quoi qu'on puisse dire. Ça c'est vrai. Oui. Mhm. Qu'est-ce qui est à l'origine de cela Comme vous le savez, les, soins dans un pays les soins dentaires ne sont pas comparables aux autres soins, ah, compte tenu du nombre d'intrants qui entrent en jeu pour euh, pouvoir produire une prestation en chirurgie dentaire, c'est des intrants aussi qui coûtent cher. Euh, loin de là, l'intention pour moi de défendre euh, les prix qui sont jugés par certains comme étant des prix élevés, mais il faut juste dire que comme dans, le, dans, le public, dans le public, les tarifs qui sont appliqués sont largement à la portée de la population sénégalaise. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des patients qui débarquent à l'Institut de somatologie sont pris en charge, il l'a dit, dans la qualité mais également à moindre coût. Moi, en tant que, euh, encore une fois, spécialiste de la santé publique, je ne pourrai jamais défendre des prix qui sont très élevés où les patients ne peuvent pas accéder euh, facilement. Ça, vous, vous serez peut-être d'accord avec moi. C'est pour dire que euh, ici, comme celui dans qui le avec ces mots, public, je sais pas, vous, allez, vous allez accepter de bon, de le traiter ah. sans argent En général, en général, ce qui se passe ici, je vous le dis, hein, euh, les patients qui arrivent sont pris en charge. Il est rare de voir un patient qui débarque à l'institut stomatologie qui ressort sans pour autant avoir... Euh, Et qui est habilité à venir ici Mais tout le monde, tous les Sénégalais qui souffrent de problèmes buccodentaires ou, qui ne veulent pas souffrir de problèmes buccodentaires sont invités à venir ici, ne serait-ce que pour recevoir des conseils. Et quand euh, ils sont là, ils sont pris en charge par des étudiants sous la supervision d'enseignants. C'est pour vous dire que le spécialiste euh, on peut facilement trouver des spécialistes ici. Alors que dans les structures euh, publiques, dans les structures publiques ou privées, mhm. vous avez des chirurgiens dentistes généralistes qui sont là-bas. Donc euh, la différence mais, est... Mais, mais, dans une partie de l'Afrique, il y a des hôpitaux et cliniques qui affichent des prix au, rabais. Pourquoi pas vous À ma connaissance, peut-être vous, vous me donnerez des exemples. Hein, euh, de cliniques dans la sous-région qui donnent des prix qui, sont euh, bon, peut-être plus accessibles que les prix appliqués à Dakar, euh, je prendrai. Mais, là, encore une fois, pour avoir fait quand même certains pays avoir une idée du, prix déjà, si vous venez ici, la consultation c'est à 2000 francs ou 000 francs. 3000 francs. 2000 c'est trop. Pour le bas peuple. Bon, pour aussi, comme on a l'habitude de dire, la santé n'a pas de prix quoi. Hein, juste pour pouvoir bénéficier de certains conseils, et bénéficier aussi de certains actes. Hein, et débourser 3000 francs, pour moi, c'est à la portée de, de tout Sénégalais. Aujourd'hui, vous rencontrerez des Sénégalais, même au fin fond du pays, qui ont au moins euh, un téléphone portable. Vous me direz que le téléphone portable, euh, le téléphone portable coûte... Euh, euh, je ne sais pas moi, 3000 euh, multiplié par 10 euh, ou 100 quelquefois. Et pourtant, ces populations-là ont cet instrument qui leur permet justement de pouvoir, de pouvoir communiquer tranquillement. Autant faire aussi le même investissement sans comparaison du tout pour avoir une bonne santé bucco Mais M. Diouf, nous en arrivons presque à la fin de cette émission. Bon, on a vu le secteur de la santé, tout comme euh, celui de l'éducation, bon, un peu paralysé euh, par des grèves intermittentes. Bon, comment faire pour redonner à ces secteurs-là leur lustre d'antan euh, Je considère déjà que les secteurs n'ont pas perdu leur lustre. Hein? Ah je, considère ça déjà, <laughs> aussi bien pour l'éducation, pour la santé que pour la santé. Mhm. Le lustre est là. Peut-être il faut aller dans le sens de le renforcer. Hein, de faire en sorte que ce lustre-là soit davantage euh, rayonnant. C'est un peu comme ça que je le perçois. Des crises, il y en a toujours, certes, c'est normal. C'est parce que les aspirations augmentent. Le Sénégal est un pays qui aspire à l'émergence. Qui dit émergence dit mesure d'accompagnement pour permettre aux différents secteurs de pouvoir s'exprimer confortablement. Alors, euh, ce qui se passe euh, avec la santé récemment, euh, tout le monde le sait, avec cette grève, d'abord menée par le SAMES, et ensuite l'autre grève menée par la coalition Andegassem. ces deux crises-là intermittentes sont survenues dans un contexte bien particulier. Il faut dire que le secteur de la santé est le parent pauvre euh, vraiment du système de la fonction publique au Sénégal. Euh, et, étant un peu conscient de cela, euh, les camarades syndicalistes ont jugé nécessaire de porter la revendication au niveau de l'autorité pour trouver vraiment gain de cause. Syndicalistes, vous dites quoi aux syndicalistes ben, Je leur dis de, rester droit dans les bottes et puis de ne pas... Arrêter la grève. Non, pas de ne pas arrêter la grève, parce qu'actuellement, il n'y a pas de grève mais de poser les revendications qui sont, qui sont à la limite pertinentes, non pas seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour toute la communauté. si on réclame le relèvement du plateau technique, ce n'est pas pour les syndicalistes, mais c'est plutôt pour la population qui bénéficie de ces soins-là. Et, vous, en tant que représentant des étudiants, vous dites quoi aux étudiants bon, je, dirais à mes camarades dirigeants, d'arrêter la grève. Ce que, je, me dis, je devrais me dire même, donc de ne pas de ne pas se focaliser trop, trop, trop sur la bourse parce qu'on est venu ici, pas pour euh, se percevoir de l'argent à la fin du mois, mais on est venu ici pour euh, apprendre et avoir quelque chose dans la tête. Je pense que si on, si on met ça euh, au devant, l'idée d'avoir de l'argent ou bien de percevoir un salaire dans l'avenir est vraiment peut-être quelque chose qui va que le bon Dieu va, va nous donner. Une également, quel conseil aux jeunes qui aspirent à devenir des dentistes à l'avenir Bon, je les invite, je les invite à ce métier noble. Je te dis, je te dis, c'est un métier noble que j'aime bien et que j'invite à tous mes petits frères, confrères et consœurs à venir ici au sein de l'Institut d'Orientologie. 8 années de, de, dur labeur, je ne sais pas, c'est pas trop Bon, comme ça n'a pas tué nos aînés et nos, pères, nos arrière-parents, <laughs> ça ne tuera personne. Merci beaucoup, M. Ibrahim Sek. Il est le président de la 46e promotion du département de Donto. M. Diouf, bon, peut-être conseil prodigué aux jeunes qui aspirent à devenir des médecins, dentistes, pharmaciens. Euh, à l'issue de la formation, d'être utile à la famille et au pays. Mhm. Et donc, euh, ils sont invités, hein, comme l'a dit le président, à venir embrasser ce métier qui reste passionnant, hein, qui reste euh, vraiment très important parce qu'on on aura la possibilité de rendre service à la population. Tous les métiers ne permettent pas de rendre le, service que la santé peut rendre à la population. C'est important. Peut-être un mot pour le public, je ne sais pas. S'il y a quelqu'un qui veut donner, bon, mot de la fin, ou bien c'est bon les gars Ah, ah oui. Monsieur, c'est comment Morel. Morel, oui. Oui, moi c'est Morel Aguiar, je suis béninois et j'ai intégré l'Institut d'Odonto il n'y a pas longtemps en fait avec mes autres collègues. Mhm. Donc ce que j'aimerais euh, placer comme petit mot, c'est que la santé bucco-dentaire c'est très important et les maladies Buccodentaires euh, bucco sont des maladies comportementales. Mhm. Donc c'est réellement un changement de comportement qu'il faut effectuer et il ne faut pas attendre en fait que le, le dentiste fasse tout. Le dentiste vous dira ce qu'il faut faire, mais c'est à vous, à la maison, à vous, chers parents, de pouvoir prendre en main la santé bucco-dentaire de vos enfants, déjà en vérifiant ce qu'ils mangent, ne pas leur donner n'importe quoi, mais également s'assurer qu'ils se brossent les dents, quand il faut, comme euh, le, le, professeur l'a dit. Et il n'y a que quatre choses à faire pour euh, avoir une bonne santé bucco mhm. C'est aller chez le dentiste mhm. juste une seule, une fois l'année, une fois ou deux. Consultation de routine. Se brosser les dents régulièrement, trois fois par jour ou au moins deux fois. Manger équilibré et vitaminé en fait. Donc c'est réellement de petites choses et il ne faut pas attendre que le dentiste fasse tout. Merci Morel. Alors merci euh, au public ou bien aux étudiants, professeurs du département d'odontologie bien sûr de la faculté de médecine de pharmacie, pour ne pas citer encore une fois d'odontologie. Merci également à, euh, au professeur Massamba Diouf, professeur agrégé, en santé publique, membre de l'Assemblée de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie, également parrain de la 46e promotion du département d'Odonto. Et également M. Ibrahim Sek, euh, président de la 46e euh, promotion du département d'odontologie et également à tous les étudiants de l'université Cheikh Ante Diop de Dakar. Alors mesdames, messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Alors où que vous soyez, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de Saint Campus une nouvelle saison également qui, débarque avec ces innovations. Alors saison, nouvelles innovations. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours ou bien un mois euh, pour un autre numéro également dans une autre faculté euh, pour un plateau spécial également avec bien sûr les étudiants, les professeurs, également l'administration alors mesdames, messieurs, mais d'ici là, je vous propose de rester en compagnie des programmes de la magie de la télé Dunia TV. Savoir gérer son argent Travailler, faire des économies et bien dépenser. Chaque semaine, une toute nouvelle émission remplie de conseils, d'astuces et d'histoires à succès. C'est l'actualité économique qui vous intéresse. Faites travailler vos sous. Question d'argent, un programme de la BBC. Bikini Production, DTV nous le ngir andil film bu film le ngir bégal leen yee leen jàng ak jàngale tamit tuddee doom ji. wax na àdduna bi lépp lu fooy ren lu ne. histoire yi ñu leen di nettali yëpp fii la xewee ndax réalité souvent day dépasser fiction alxamis bu ne maanaam jeudi di ngeen am ñaari épisode à partir de 21 et heures na ngeen ko xaar di ngeen gis li ma leen wax. foo leen mën a nekk ci àdduna ci seen émission bi di majaalisul ulama di jataayu borom xam-xam yi tey nag ñu dalaat ci kër goo xam ne baytul izza la moom it wa sharaf lillahi wa lirrasul ida daakum lima yuhyikum wa'lamu wa'lamu بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن yéen ñu ko def yéen téléspectateurs yi quatre ans ñu leen di bégal quatre ans ñu naan alhamdulilah quatre ans ngeen di dund la magie de la télévision loolu lan la ñu ni télé bu mag bi nag DTV dëgg dëgg dëgg dëgg alhamdulilah rek la mën a wax yéen téléspectateurs yi moo tax ñun faaw ñu delloo leen jukkal de waaw waaw fan lañ jëm baax ñi lañ jëm kuñ ci yàndal ko. mais réew mi yëpp la 12 la ñuy waajal ba tax na maa ngi nuyu nag réew mi yëpp. di leen woo le 12. Mhm. ah damay dem nag sama fief. Ah. damay dem sama gox. Uh-huh. fa nga xamante ne foofu rek laa am. te lépp lu ma mel ñoom la lépp lu ma am ñoom la muy waa Bargny uh-huh. nag laa may concert bu rëy ci place publique ba place publique ba ko xamul mooy côté maire bi rek. Ah. foofu laa woote làng gu riche woo xale yi ak mag ñi ñëpp ñëpp ci am accès ndax concert bi dañ koy mi gratuit gars yi tegal leen son et lumière ma ànd ceeg nag waa DTV télé bu mag bi

de la haute couture, Maria Gianni est toujours la meilleure. Va te faire voir. Elle exige la perfection.